forum du studio Kalangu, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalango, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le programme du Studio Kalango que vous écoutez grâce à son réseau élargi de 34 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et le week end de 17h15 à 18h15 minutes. La cybercriminalité, quelle ampleur au Niger, c'est le thème du forum de ce soir Qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité Quelles sont ses différentes formes Quels sont les cas les plus fréquents au Niger Quelle est l'ampleur de ces phénomènes au Niger Quelles sont les mesures de sécurité en vigueur face à la cybercriminalité Comment être à l'abri des cybercriminels Quelles sont les conséquences de la cybercriminalité aujourd'hui dans notre société Pour répondre à ces questions et eh bien d'autres, nous avons comme invité dans ce studio Adamu Haruna Midou, commissaire de police, chef de la division de lutte contre la cybercriminalité à la direction de la police judiciaire du Niger. Bonsoir euh, Adamu Haruna. Bonsoir. Et merci d'avoir honoré donc euh, cette invitation. À la présentation de cette émission à Lassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous euh, dans cette nouvelle édition du forum du studio Kalangu qui, je le disais tantôt, traite ce soir de cybercriminalité. De cybercriminalité, un phénomène qui voit le jour grâce à Internet. Comme on le sait tous, l'avènement et le développement d'Internet a permis de réduire aujourd'hui le monde à un village planétaire. Internet a anéanti les frontières, rendu ce qui était loin proche et sa spontanéité a rendu la circulation de l'information rapide. Grâce à Internet, de nombreuses plateformes ont vu le jour, les réseaux sociaux qui occupent de nos jours des millions de personnes aux au profil et aux intérêts divers et variés permettent d'entretenir des relations ou d'échanger des informations personnelles ou confidentielles la vulnérabilité de ces sociétés virtuelles est sans conteste car au fil du temps se sont développés de nouveaux types d'infractions qui sont commises sur ou au moyen d'Internet. Le Niger n'est pas en reste avec l'utilisation massive des réseaux sociaux par les jeunes, mais aussi par les moins âgés et de façon générale l'usage même d'Internet. Alors, euh, nous avons euh, avec nous, donc je le disais tantôt, euh, commissaire Adamo Haruna Midou, chef de la division de la lutte contre la cybercriminalité au niveau de la direction de la police judiciaire du Niger. Commissaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous peut-être nous présenter brièvement la division dont vous avez la charge, la division de la lutte contre la cybercriminalité au niveau de la police judiciaire. Hmm, d'accord. Monsieur Alassane Mohamadou, mais avant, je remercie votre euh, entité, la Fondation Hirondelle, particulièrement le studio Kalangu, pour nous avoir donné cette euh, occasion de nous exprimer sur euh, ce phénomène qu'est la cybercriminalité. Ma division a été créé en 2010. En 2010, ça fait sept ans déjà. Ça euh, fait sept ans. Les La principale euh, mission de cette division, c'est que nous, nous jouons surtout plus et un rôle répressif. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une infraction de cybercriminalité et que nous sommes saisis par les plaignants et nous faisons tout pour chercher les délinquants, bien que dans notre domaine, mmh. il est très difficile d'avoir les mises en cause dans la mesure où la plupart des infractions se passent dans un monde virtuel. Comme vous l'avez dit, mhm. il n'existe plus de frontières en matière d'Internet. Les délinquants sont presque invisibles, bien que des fois, on arrive mhm. à les traquer mhm. dans la mesure où l'électronique laisse toujours des traces. Rentrons euh, tout de suite donc dans le vif du sujet pour savoir euh, même ce que c'est que même le terme cybercriminalité. Alors, il y a deux concepts qu'il faut un peu expliquer, mhm. la cybercriminalité et la cybersécurité. Parce que les gens tendent à les confondre, alors que c'est des terminologies différentes. Mhm. La cybersécurité, c'est l'ensemble des mesures prises pour sécuriser le système informatique, le système de l'informatique, mhm. tout ce qui est technologie. Alors que la cybercriminalité, c'est lorsque la sécurité a des failles, lorsque des infractions sont commises, qu'on parle de cybercriminalité. Cybercriminalité, c'est lorsqu'une infraction est commise, qu'on parle alors de cybercriminalité, ou lorsqu'il y a des attaques contre le système, on parle d'attaques cyber, euh, cybernétiques, des attaques euh, à distance mhm. contre un réseau quelconque mhm. ou des installations vitales, n'est-ce pas, qu'on appelle des installations critiques. Mhm. Là, on parle de cyberattaque. La cybercriminalité, par définition, est toute infraction commise à travers, n'est-ce pas, un moyen informatique, c'est-à-dire lorsque mhm. l'informatique est utilisée utilisé. comme moyen pour commettre l'infraction ou contre le système informatique. Voilà. Donc ça peut être objet de l'infraction ou moyen, de l'infraction. C'est à travers ces deux euh, concepts qu'on définit mm. la cybercriminalité. Sous quelle forme euh, cette cybercriminalité euh, apparaît Alors, elle apparaît sur, sous plusieurs formes. Les attaques contre le système, ok, c'est souvent des accès frauduleux à un système informatique. Vous avez votre ordinateur, vous avez un ensemble de données qui y sont contenues. Maintenant, il y a des gens qui peuvent accéder directement sans aucune autorisation. Alors là, on parle d'un accès frauduleux au système. On peut modifier des éléments sur votre système. On peut ralentir le fonctionnement de votre système informatique. On peut falsifier des données, on peut supprimer des données, on peut injecter des virus, vous voyez, pour attaquer l'ensemble du système ou des malwares. Il y a beaucoup de formes. Et généralement, on peut prendre le téléphone portable, le simple téléphone portable. Lorsqu'une personne prend le téléphone portable, insulte une autre personne, là on parle, n'est-ce pas, d'injure par voie électronique. Dans ces cas, ça, c'est cybercriminalité. L'usage du téléphone pour commettre ce genre de forfait aussi peut rentrer dans, ce cadre Ah oui, mais c'est la définition que je viens de donner. Alors, parce que c'est un moyen électronique qui a été utilisé, pour insulter une autre personne. Donc, c'est la différence avec euh, les infractions qu'on connaît, les infractions classiques. C'est des infractions physiques. Je viens voir vous, je vous insulte. Vous voyez Alors que de l'autre côté, je suis au bout du fil, quelque part, peut-être vous ne me connaissez même pas, je vous appelle, je vous envoie des messages malveillants des injures, je peux vous diffamer à travers des publications et beaucoup de choses. Donc, euh, c'est effectivement cela. Donc, la différence avec les infractions physiques, c'est que là, c'est un moyen que un moyen qui permet d'être à distance, qui protège en quelque sorte euh, celui qui commet le forfait. Effectivement, et on commet le forfait. Alors que là, quand c'est physique, c'est vraiment physique où je mm. viens envers vous, je prends, je vous demande de, m'emprunter de, l'argent, ou bien je, je peux utiliser des manœuvres frauduleuses pour prendre de l'argent ou des biens avec vous et je disparais pour vous escroquer ou pour abuser de votre confiance. Et toutes ces infractions existent en matière de cybercriminalité. Alors, on dit cybercriminalité, euh, ce qui sous-entend le crime. Est-ce que euh, même si euh, des actes sont commis, des infractions sont commises, et que ces infractions n'atteignent pas les crimes appropriément dit, à savoir tuer quelqu'un. Euh, est-ce que la cybercriminalité englobe même les petites infractions qui ne sont pas de l'ordre du crime euh, Oui, effectivement, c'est que c'est la terminologie crime qui est, n'est-ce pas, empruntée et on y ajoute le cyber. Vous voyez mhm. Donc, ça n'a rien à voir avec le degré de, commissaire de commission ou bien de gravité de l'infraction ou la classification tripartite mhm. n'est-ce pas mhm. des infractions <laughs> donc un crime voilà voilà crime délit et contravention mhm. tout est même le seul d'insulter la personne, n'est-ce pas, injurier la personne, ou les voies de fait, qui peuvent être souvent peut-être même des contraventions, on parle toujours de cybercriminalité. Il suffit d'utiliser, n'est-ce pas, eh, un moyen électronique, voilà, et commettre son, son forfait. Là, on parle toujours de cybercriminalité. Quel qu'en soit, si c'est un délit et autre, la qualification ou bien le degré, c'est de l'autre côté, c'est au niveau du juge, n'est-ce pas, qu'on sache que c'est un crime et c'est un délit. Et aussi, à travers ces moyens, on peut commettre des crimes. On peut commettre des crimes. Un exemple Un exemple, par exemple, celui qui attaque un système d'aération quelconque, qui peut euh, d'aération ou qui attaque, n'est-ce pas, euh, ce que je viens de dire, les, les installations critiques. Mhm. On coupe l'énergie, on coupe euh, l'aération, mais ça peut tuer. Mhm. Vous voyez, on peut euh, attaquer les hôpitaux. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, le monde tend à se numériser, le monde tend à s'informatiser. Tout est électronique d'une personne. Alors, pour le cas du Niger, quels sont les cas euh, les plus fréquents que vous relevez Au Niger, on a presque beaucoup de sortes d'infractions. Alors, généralement, on relève les appels et les messages malveillants. Et c'est surtout les injures, les menaces, et le chantage. C'est surtout euh, ce qui est vraiment euh, nombreux en termes d'infractions au Niger. Les appels malveillants, la plupart des cas, c'est des numéros qui appellent, n'est-ce pas, pour vraiment insulter d'autres personnes ou envoyer des messages ou même les menacer à mort. On a généralement enregistré des plaintes de, de messages de mort ou des chantages et là aussi, c'est vraiment un phénomène qui est en vogue présentement. Généralement, les chantage, c'est vraiment des gens qui souvent ne se connaissent même pas, qui à distance euh, peuvent échanger par webcam. Vous voyez, ils peuvent s'envoyer des, photos de nudité ou même des, vidéos pareilles. Et maintenant, celui qui veut chanter sa victime lui fait savoir déjà que je détiens des photos de vous dans des conditions inconfortables ou des propos. Maintenant, si vous ne m'envoyez pas telle somme ou si vous n'exécutez pas telle de mes décisions, je veux publier sur la toile, surtout sur Facebook, qui est le réseau par excellence qui a plus d'adhérents, mhm. ou bien envoyer même à des proches que le mise en cause connaît, euh, des gens ou des membres de la famille. Alors, commissaire, dans ce genre de cas précis, est-ce que c'est lui qui prend l'initiative ou qui fait chanter quelqu'un parce qu'il dispose d'une vidéo compromettante euh, de la personne mhm. Et si jamais cette personne euh, arrive à aller jusqu'à publier cette vidéo sur Facebook ou à envoyer cette vidéo à une tierce personne, mhm est-ce qu'on considère que cette personne a commis une infraction euh, dite cyber, euh, de cybercriminalité eh ben, Effectivement, mais qu'est-ce qui a utilisé c'est le moyen. Ce qui est utilisé, c'est le téléphone portable, c'est l'ordinateur, avec le jeu comme Internet. Si c'est sur Facebook, il faut avoir Internet pour pouvoir publier. Vous êtes à travers, à partir de votre smartphone ou à travers votre ordinateur, vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Et est-ce que ces genres de cas, vous avez eu à gérer ces genres de cas au niveau de on la division toujours. On en gère toujours au niveau de la division. Des cas où des gens ont publié, des cas où des gens s'apprêtent à publier. Donc on a les cas. Et actuellement, on a des cas. Donc c'est vraiment le quotidien, c'est notre vie Et si, par exemple, dans le cas où la personne est sur le point de, publier cette vidéo et que vous, euh, vous, recevez une plainte euh, euh, d'une personne qui s'est fait, qui s'est fait chanter, qu'est-ce que le plus souvent vous, vous, faites au niveau de la division de la cybercriminalité ce qu'on fait, on, reçoit d'abord la plainte de la, de la personne, connaît les éléments de preuve. Maintenant, s'il s'agit d'un numéro de téléphone, parce que ça peut être un numéro de téléphone, la personne peut avoir le numéro de, téléphone. Si c'est un numéro national, on fait des réquisitions au niveau des opérateurs de téléphonie pour avoir l'identité de la personne, sa, géolocalisation, ainsi que l'historique de ses appels entrants et sortant dans une période donnée pour pouvoir chercher la personne. Maintenant, si c'est à l'étranger, et c'est surtout ce qui est fréquent, on, là, on passe à travers Interpol. Interpol. Voilà. Et lorsque Interpol a connaissance, maintenant, à partir d'Interpol, de l'autre côté, l'Interpol Bénin, Interpol Niger va saisir Interpol Bénin et Interpol Bénin va saisir euh, les autorités judiciaires, la police judiciaire, n'est-ce pas, ou bien de la cybercriminalité, pour voir comment faire les investigations, faire les réquisitions que nous sommes censés faire à notre place parce qu'on ne peut pas directement eh, communiquer avec euh, les promoteurs ou bien les, compagnies de téléphonie de ces pays-là pour demander telle identité à telle identité. Non, c'est au sein du pays que ça se passe. on a vu aussi que souvent des gens reçoivent des mails des mails où on vous dit que vous avez gagné ou bien on vous demande d'envoyer euh, une, somme pour, euh, pour qu'on vous envoie un colis d'argent ou pour qu'on vous envoie un héritage. Euh, des cas pareils aussi surviennent. Et des gens se sont fait souvent avoir dans ce genre de situation. Est-ce que vous avez eu aussi à, gérer ce genre de cas Oui, et je vous dis tous les cas que vous imaginez, on les reçoit. Ce genre de cas c'est que c'est vraiment fréquent. Généralement, c'est des veuves atteintes d'une maladie quelconque qui a une fortune inimaginable, qui, cherche, un, héritier, voilà, un héritier potentiel. Et peut-être que choisit votre numéro de téléphone. Et c'est pas par hasard, parce que généralement, ils connaissent leurs victimes ou bien ils cherchent par, au hasard. Mais généralement, c'est vraiment des gens qui connaissent leurs victimes parce qu'ils savent étudier les gens Comment faire pour avoir les gens, surtout que les gens sont à la recherche du gain facile Automatiquement, on vous dit une telle qui a des milliards, qui voulait vous léguer sa fortune, qui s'élève à des milliards et qui vous demande en contrepartie d'envoyer 300 000, 500 000 pour le frais de dossier ou pour frais d'avocat, mais est-ce que c'est sérieux Ou bien on vous dit que vous avez gagné à quelque chose dont vous n'avez même pas joué. comment comprendre ça il faut jouer pour gagner. Et on vous demande de l'argent. Et les gens, très facilement, les gens envoient. C'est des gens qui sont très habiles. Ils utilisent des numéros de téléphone uniquement achetés pour, cette, voilà, des numéros et même des téléphones pour, uniquement vraiment faire leur forfait Après, et qu'ils voilà et, à et, Et malheureusement, et encore malheureusement, c'est des numéros non, non identifiés la plupart des cas. Alors que l'État a institué l'identification, je pense, depuis 2012. Pour justement faire face à ces, à ces, à ces genres de situations, voilà. pour que chaque numéro puisse être euh, identifié, identifié qu'on voilà. connaisse l'auteur. Voilà, voilà le, au moins c'est le propriétaire du numéro, ou bien au nom de qui ce numéro est identifié. À ce jour, il y a des numéros encore. Qui Effectivement, beaucoup de numéros qui ne sont pas identifiés et qui sont toujours opérationnels. Et c'est malheureux. Et ça, ça, ça, cause beaucoup de problèmes dans ce, dans ce domaine Ça cause beaucoup de problèmes. Et c'est ça même notre notre véritable problème. C'est ça notre véritable. Il y a beaucoup de gens qu'on cherche, on fait des réquisitions, on dit ah tel numéro n'est pas identifié. Quand il, vous arrive de mener une enquête et tomber sur un numéro dont l'auteur n'est pas identifié, est-ce que euh, vous engagez souvent des discussions avec les responsables des, compagnies pour attirer leur attention sur leurs devoirs Oui, effectivement, de temps à autre, lorsqu'on reçoit ce genre de trucs, on leur dit, mais voilà, nous, on attend vraiment une identité pour savoir qui a fait quoi. Alors ce qu'on n'a pas, mais on n'a pas d'autres moyens. Nos chances se trouvent limitées. Nos chances se trouvent limitées. Est-ce que vous, il vous arrive peut-être de, procéder à des écoutes téléphoniques non, les écoutes téléphoniques ne sont pas faites pareillement. On, on ne procède pas aux écoutes euh, téléphoniques euh, directement. C'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça. C'est mmh. toute une procédure. Mmh. Donc, euh, il est difficile de, de, procéder à des écoutes. Et les écoutes, mais il faut que le juge y autorise. Parce que c'est le juge qui est le garant des libertés. Oui, Bien. Et donc, euh, on a vu aussi euh, sur Facebook, sur, les, sur WhatsApp, souvent, il y a des faux profils, comme vous l'avez noté au niveau des, des, puces, où la personne peut avoir un numéro spécifiquement pour faire euh, commettre ces, actes et puis retirer la puce. On a vu aussi que sur les réseaux sociaux, euh, il y a, plein de, de, profils, souvent de faux profils. Euh, des profils qui ne reflètent pas l'identité de l'auteur réellement. La plupart de nos problèmes sur les réseaux sociaux, effectivement, résident dans le fait qu'il y a l'anonymat et les faux profils et souvent même les vols d'identité. L'usurpation d'identité. Vous avez votre photo sur votre profil, quelqu'un peut usurper votre identité très facilement, faire des publications à votre nom et même commettre des forfaits. Et généralement, et aussi à ce niveau, il y a des autorités même qui sont victimes de ce, de ce genre d'infraction. Des autorités qui sont victimes de d'usurpation d'identité et des gens. Qui parlent à leur nom. On voilà. Va penser que c'est un tel oh, qui est en train de. Oh, et demander de l'argent. Souvent, on dit bon, je suis euh, en déplacement, je suis en conférence internationale dans tel pays, j'ai pas le temps, j'ai un cousin ou un petit frère qui est au niveau de tel pays, qui a eu un accident, il faut envoyer en urgence telle somme, alors ah. si par exemple vous voyez qu'un certain ministre de votre ah, pays vous, s'adresse à vous, mhm. ah, de telle manière, bon, souvent les gens ne vont même pas songer, ils vont directement opérer ce qu'ils ont demandé. Donc euh, il faut envoyer, il y a un tel docteur au niveau de telle clinique, euh, ainsi de suite. Et généralement, c'est à l'étranger qu'ils vont vous demander d'envoyer l'argent. Vous voyez, donc vraiment, c'est des messages de détresse auxquels vous serez sensible et vous allez voir que bon c'est tel ministre souvent bon et c'est des collaborateurs qu'ils visent c'est tel c'est tel frère voilà ils visent des collaborateurs de ces ministres vous voyez et souvent même le ministre est même là mais le collaborateur ne sait pas si le ministre n'est même pas en déplacement <laughs> vous voyez, ça peut arriver. Et souvent, si le ministre est en déplacement, effectivement, c'est des gens qui sont souvent vraiment renseignés et sur leurs victimes. Et vraiment, sur tout ce qui se passe comme ça, on, remarque avec tous ces témoignages que vous, vous, quand même vous, notifiez mhm. que ce phénomène phénomènes a, une, ampleur euh, extraordinaire ici au Niger. Oui, effectivement, vous avez vu, on a plusieurs sortes d'infractions cybercriminelles. Vous voyez, les cas sont vraiment très nombreux que nous rencontrons chaque jour. Alors, comment s'y prendre ou comment prévenir ces genre d'infraction, d'abord, ça doit passer par euh, la sensibilisation. Parce que les coûts, c'est des millions qui s'envolent. C'est des millions par jour. Parce que la plupart des victimes ne veulent même pas venir deux fois. Euh, Parce que... c'est plaindre, vous voulez dire Oui, il y a, y a, des victimes qui ne peuvent pas venir se plaindre au vu d'un certain nombre de sensibilités. Parce que il y a certaines personnes, mais si la personne a elle-même accepté d'être filmée, hein, ou bien de se filmer elle-même, d'envoyer des photos, et que... cette photo se trouve dans des mauvaises mains et qui est sur le point d'être publiée, la personne préfère accepter le, le, deal, <laughs> accepter le deal, verser la somme demandée avant de, que de venir. Et lorsque vous voyez la personne venir, généralement, c'est que la personne en a ras-le-bol, c'est que la personne en a assez donné. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens, euh, les gens pensent qu'ils de toute façon, c'est peine perdue, même s'ils... C'est que, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que la personne que vous ne connaissez pas, elle est de l'autre côté. Comment accepter sa parole si vous, me, si vous ne me donnez pas, je vais publier. Peut-être même si vous donnez, la, la personne peut publier. Mhm. Et même si la personne ne publie pas, elle va encore réclamer de l'argent. Aucune garantie de, sincérité. Vous n'avez aucune garantie. Qui disent les textes Est-ce que les textes euh, aujourd'hui en parlent au Niger Il y a effectivement euh, des textes, le cadre législatif, et il y a des gens qui, pour eux, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, le droit n'existe même pas parce que c'est un monde virtuel on peut se permettre de tout faire. Et ce n'est pas le cas. Mais en principe, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ces gens n'ont rien compris ce n'est pas un monde de non-droit. Ils doivent considérer ces, réseaux comme étant un monde de droit. Parce que aujourd'hui, tout ce que vous faites est dans le monde virtuel comme dans le monde physique. Il y a les textes. Et pour revenir aux textes, mhm. au Niger, nous avons vraiment une législation très pauvre en matière de lutte contre la cybercriminalité dans la mesure où, à commencer par notre code pénal, mhm. et avec euh, sa modification de 2003, n'est-ce pas, mhm. euh, on a eu à insérer un certain nombre d'articles mhm. sur la qui, qui protègent, n'est-ce pas, des données informatiques. Et c'est à partir c'est l'article 399 à partir de l'alinéa 2 à, à, euh, à 9. Et c'est cette partie qui consacre quand même euh, un peu l'aspect cybercriminalité. Et de façon spécifique ou De façon vraiment très limitée. Ah, ah, ah. De façon très limitée parce que ça réprime, euh, ces articles, ces alinéas répriment euh, l'accès frauduleux au système informatique, mhm. les modifications, n'est-ce mhm. pas, les suppressions, mhm. les falsifications, et aussi le maintien dans le système informatique. Donc c'est ce que ça réprime. le maintien de quoi le maintien. le maintien de la personne qui, sait, qui, qui est accédée frauduleusement dans le système. <laughs> et je vous parle de, de la loi 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi 61-27 de, 1961. Alors, quand vous dites que euh, la, législation donc, dans ce domaine au Niger est, très pauvre, euh, quels sont, à votre avis, les autres aspects qui de la, nécessité euh, de, ce jour euh, euh, doivent faire l'objet en tout cas de peut de règlement de, législation. Voilà, voilà, Et je disais que la législation est très pauvre effectivement parce que en dehors de cette loi, mhm. nous avons récemment une nouvelle loi qui protège les données à caractère personnel. Donc, euh, c'est la loi 2017-28 du 3 mai 2017 portant protection des données à caractère personnel. Et cette loi, à son article 40, effectivement, a aussi euh, créé euh, une institution qui protège ces données à caractère personnel, là où les gens peuvent déposer leurs recours les gens peuvent se plaindre. Parce que si vous prenez aujourd'hui tout ce qui se passe partout, vous allez voir des vidéos, des caméras de vidéosurveillance, mhm. vous allez voir des appels d'offres, les gens vont toujours donner leur identité, mhm. vous voyez les gens vont toujours donner des informations personnelles au niveau des hôpitaux également il y a des, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'examens que les gens font. Mhm. Euh, tout ce qui concerne les groupes sanguins, les informations sur la santé, tout ce que vous faites, c'est des données vous appartenant et l'ensemble de ces données-là doivent être protégées. Et voilà pourquoi cette loi, n'est-ce pas, mhm. a été adoptée. Et c'est en application effectivement des instruments juridiques internationaux en parlant de la directive de la CDAO qui date de 2014, qui attend d'être, n'est-ce pas, transposée au Niger, qui n'est pas encore transposée Et c'est sur la cybercriminalité, effectivement. Mhm. Et aussi la Convention de Malabo. Et la Convention de Malabo, c'est elle qui date de 2014 et la directive date de 2011. Vous voyez mhm. Et ces deux protocoles euh, additionnels euh, qui également ont été adoptés à Abuja, n'est-ce pas, sur les transactions financières et aussi sur les données à caractère personnel. Alors, euh, et la convention de Malabou n'a pas encore, on n'a pas encore adhéré. Mmh. Et aussi la directive de la CDAO n'a pas encore été transposée. Nous avons au plan international l'unique convention qu'est la Convention de l'Europe, du Conseil de l'Europe, qu'on appelle Convention de Budapest, sur la cybercriminalité, cette convention aussi attend à ce que le Niger y adhère pour effectivement euh, permettre un certain nombre de coopérations et de collaborations en matière de cybercriminalité. L'ensemble de ces instruments juridiques internationaux ont réglé ou bien ont pris en compte la plupart des infractions en matière de cybercriminalité. Parce que si nous prenons notre code, comment aujourd'hui nous pouvons poursuivre une personne pour un certain nombre d'infractions qui n'ont pas été prévues par par le code pénal, dans la mesure où la loi pénale est d'interprétation stricte. Mm. Il faut obligatoirement qu'on qu'on intègre ces, ces, instruments juridiques internationaux dans notre, dans, notre législation interne, donc qu'on y adhère, mhm. et aussi que notre code pénal, qui notre loi en matière euh, pénale, n'est-ce pas, puisse aussi être conformé aux nouvelles exigences du temps. Du temps. Il faut, dans ces cas, euh, créer des nouvelles infractions spécifique à la cybercriminalité et aussi élargir nos infractions, euh, comment est-ce qu'on l'appelle, euh, euh, nos dispositions classiques, n'est-ce pas, à des infractions de cybercriminalité. Par, je prends un petit exemple, par exemple en matière de vol. Le vol, si on prend l'esprit du code pénal, n'est-ce pas, et la dépossession. Ok mhm. Voler un objet, c'est prendre l'objet et partir avec. Vous voyez mhm. Et en matière de cybercriminalité, on peut, la personne peut dire que il a, il a, volé mon fichier, il a volé une donnée m'appartenant. Mhm. Est-ce que vous voyez Un document m'appartenant. Mais ça peut être, c'est même pas du vol, peut-être, ça peut, vous pouvez retrouver l'objet volé. Voilà, dans, dans, au niveau de la, victime, à, la, à la, source. Mmh. Bien que l'autre l'ait également. Alors, est-ce que euh, la qualification du vol si Donc, bah. est pour dire que, bon, voilà, on doit intégrer le copiage. Là, mmh. c'est un copiage mmh. qui peut être assimilable au vol. Parce que celui qui copie des données à votre insu, donc c'est de manière frauduleuse, fait une soustraction frauduleuse. Alors, euh, commissaire, euh, puisque nous sommes pratiquement à la fin euh, de cette émission, euh, quels sont les, conseils pratiques et que vous avez à, prodiguer aux uns et aux autres par rapport donc à la, à la protection des données personnelles vous avez parlé tout à l'heure au début de cyber cybersécurité, euh, mhm. qui est tout à fait le contraire de la cybercriminalité, qui est l'ensemble des mesures à prendre pour sécuriser ces données. Quels sont les conseils pratiques euh, que vous préconisez aux uns et aux autres sur ces différentes euh, plateformes que nous utilisons du jour D'accord, donc je j'aimerais préciser que la cybersécurité, c'est vraiment l'aspect prévention. Prévention. Donc c'est vraiment outillés, n'est-ce pas, euh, pour pouvoir se maintenir en parfaite sécurité contre toute attaque extérieure. Vous voyez, c'est ça vraiment, c'est des mesures politiques prises pour vraiment sécuriser l'ensemble du système informatique. Et quand on parle de la cybercriminalité, c'est que l'infraction est déjà commise, est déjà commise. Mm. Alors, les conseils qu'on a, c'est d'abord aux utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, euh, tous ceux qui sont inscrits sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, protéger leurs données à caractère personnel doivent vraiment se méfier de donner des informations ou trop d'informations personnelles sur soi. Parce que cela permet très simplement le profilage. Si vous voyez actuellement on parle de la révolution Web 2.0. Et c'est que c'est une révolution à travers laquelle aujourd'hui, c'est même les utilisateurs qui fournissent l'ensemble des éléments à ces réseaux. Avant, lorsque on part sur Internet, on part faire des recherches et autres. Aujourd'hui, c'est les gens même qui alimentent Internet. Internet à travers leur activisme, à travers leur participation très élevée. Vous voyez Donc, euh, les gens doivent, certes, les gens se réunissent, on s'inscrit sur un réseau pour euh, rencontrer de nouveaux amis ou des anciens amis, échanger avec eux, n'est-ce pas, ces anciens amis, rester en contact avec le monde, avoir des informations en temps réel, ok, échanger, s'envoyer des photos, échanger des vidéos et autres, donc, une manière vraiment de, de, de, d'être à l'aise dans le monde. Mais malheureusement, les gens outrepassent. Les gens donnent des informations qui ne sont pas nécessaires. Les gens font des publications qui ne sont pas aussi nécessaires et qui peuvent porter atteinte à eux-mêmes. Parce que ceux qui, il y a même des fonctionnaires, ils sont en mission, ils disent qu'ils sont en mission, ils, publient tout, tout ce qu'ils font, ils publient. Vous voyez, ça peut se retourner contre eux à travers le seul fait d'identité. Vous avez votre photo. Chaque fois, les gens envoient leurs photos ou des vidéos dans lesquelles ils sont. Mais quelqu'un peut les utiliser contre eux. Vous voyez Donc, c'est vraiment euh, que les gens puissent être prudents et n'acceptez pas toutes les invitations. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous envoie des invitations. La personne va cliquer, accepter, accepter, accepter. On, accepte n'importe qui, sans savoir qui est-ce qu'on accepte. Vous voyez Et si on a trop d'amis et on est sur beaucoup de, réseaux, on va rater beaucoup de, de choses ou bien d'informations intéressantes. Est-ce que vous voyez Donc vraiment, c'est que les gens sur les réseaux sociaux doivent être prudents et savoir que c'est un espace de droit. Alors, qu'en est-il des conseils pour ceux qui euh, se trouvent être victimes de, cybercriminalité pour, être, pour, avoir justice Alors, pour eux, c'est que dès qu'on est victime, il faut toujours chercher la police judiciaire. Il faut, nous sommes toujours là. Notre division, elle travaille H24, tout comme la police dans son ensemble. Alors, venez, parce que quelqu'un que vous ne voyez pas, elle va toujours continuer à nuire. Donc, venez automatiquement expliquer votre problème sans rien cacher, parce qu'il n'y a rien à cacher. Sans rien cacher, et là, on est là pour aider les victimes et pour faire prévaloir leurs droits afin que justice soit faite. Vous voyez et aussi, en ce qui concerne les, mesures prises, il y a beaucoup de mesures qui sont en train d'être prises mhm. en matière de, cybercriminalité, dans la mesure où récemment des réunions s'étaient tenues mhm. et dans le domaine. Il y a eu un certain nombre d'ateliers de formation sur la cybercriminalité. Il y a des rencontres, des, échanges qui sont en train d'être faits. Et aussi, eh, il y a des projets de vraiment d'adoption des textes en matière de cybercriminalité et aussi de transposition de, la directive de la CDAO et, et, dont on a parlé. Bien que c'est depuis 2006 qu'il y a vraiment des activistes mhm. qui étaient derrière mhm. ces éléments pour qu'on puisse légiférer dans le domaine, outiller la division de lutte contre la cybercriminalité en ressources humaines et en matériel. J'ai oublié de vous poser cette question. Euh, euh, est-ce que vous êtes, vous êtes 5, vous êtes trois, vous êtes quatre. vous avez euh, assez de moyens matériels pour, pour, pour, faire face à ces défis C'est pas pour rien que je suis revenu sur les moyens. Les moyens font défaut. Si vous partez dans la sous-région, dans certains pays, vous allez voir que la division de lutte contre la cybercriminalité, mais c'est autre chose c'est autre chose. Il y a toutes les technicités. Et c'est ce qu'il nous faut. On ne l'a pas à notre niveau. dans la division, euh, j'ai un officier, un inspecteur, mhm. n'est-ce pas, et qui, avec qui on travaille. Mais également, comme notre entité, bon, s'il y a des trucs, on peut faire appel à ah, d'autres. Mm On a également notre, euh, il y a une division de transmission d'informatique au niveau de la police et qui a des informaticiens également et des, spécialistes. On a aussi notre laboratoire de police technique et scientifique. Mhm. Donc, c'est une direction à part mhm. qui, pour euh, ce qui concerne les extractions des données téléphoniques ou des ordinateurs et autres, c'est elle. Vous appuyez Oui, elle nous appuie. Elle est là pour ça. C'est un laboratoire. Mhm. Donc, euh, pour beaucoup de choses, on demande vraiment à, ces, à eux mais eux aussi, ils sont très limités. Toutes les entités qu'on a, dont la police dispose dans la lutte contre la cybercriminalité, vraiment disposent de maigres moyens. Et c'est les moyens qui peuvent permettre aux gens de travailler. Il y a là aussi la formation pour vraiment répondre, parce que c'est un domaine qui évolue chaque jour. Chaque jour, ça évolue. Il y a de nouvelles infractions, il y a, des, nouveaux, nouvelles méthodes. Il y a des de... nouveaux modes opératoires, il y a tout. Chaque jour, ça évolue. Parce que, je vous ai dit, c'est des gens qui sont eh, habiles. C'est des gens qui sont très, très malins. C'est des experts, généralement, qui sont derrière des attaques de cybercriminalité. Alors, euh, commissaire, votre mot de fin pour, euh, euh, résumer donc, euh, ce, grand sujet, ce vaste sujet de cybercriminalité, qui, vous l'avez dit, évolue du, jour au jour Alors, euh, mon mot de fin, c'est d'abord vraiment euh, de voir pour euh, très rapidement, n'est-ce pas, fournir, renforcer la législation nigérienne, n'est-ce pas, en matière de lutte contre la cybercriminalité, créer les institutions pas Parce que eh, a, on n'en a pas parlé, mais il est plus que nécessaire d'en parler. On a besoin également d'un CERT. D'un CERT. On appelle CERT C-E-R-T. Euh, C-E-R-T. Donc, euh, compita Emergency Response Team, on l'appelle. Mhm. Donc, euh, c'est un centre qui est là qui, à chaque attaque, automatiquement, le centre est alerté et le centre prend des précautions en matière de cyber et en matière de attaque. Vous voyez Pour détecter, vous voulez dire euh, Oui, des, des, des cyberattaques. Mhm. Et c'est certes aussi a besoin d'expertise, de, de euh, vous voyez. Et aussi, j'ai besoin à ce que la convergence des institutions, parce qu'on a beaucoup d'institutions qui œuvrent dans le domaine technologique. Vous voyez, j'aimerais parler. Oui, chacun travaille de son côté. Alors qu'on doit converger, que la synergie de, l'action, mm-hmm. pour que chacun sache qui fait quoi. Vous voyez, parce qu'on a beaucoup, on a des entités qui sont vraiment dans le domaine, qui contrôlent certains secteurs n'est-ce pas, de, de, la technologie. Mm-hmm. là nous avons l'ARTP qui est là, mm-hmm. nous avons l'ANSI, qui a été créé récemment. Nous avons le CNES aussi. Mhm. Vous voyez, il y a un certain nombre de, ministères. Maintenant, s'il y a vraiment une coordination de l'ensemble des entités, on saura quoi faire ensemble. Et je ne terminerai pas sans parler du, matériel et des personnes qualifiées. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique est avancée et il faut que le Niger, au Niger, connaît des grands informaticiens, des grands ingénieurs dans tous les domaines de l'informatique, n'est-ce pas, pour répondre à un certain nombre d'attaques et aussi à un certain nombre de demandes. Parce qu'il faut de l'expertise pour exploiter beaucoup de choses en matière de cybercriminalité. Donc vraiment, nous voulons à ce que nous soyons outillés en matière de formation, en matière de matériel. Bien. Euh, sur ces mots, prend fin le forum de ce soir donc sur la thématique cybercriminalité et son ampleur ici au Niger et les mesures qui euh, sont en train d'être mises en œuvre pour euh, venir à bout de, de, ce phénomène. merci beaucoup à vous, Adam Adamo commissaire de police et chef de la division de lutte contre la cybercriminalité à la direction de la police judiciaire du Niger. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.